pour nous def li nga euh, ouverture euh, enquête judiciaire par rapport à li nga mais surtout par rapport ak mort. yi événement mars dernier on avait 14 morts euh, cette fois-ci li mi morts yi ñu 17 mais am sax ñu naan on parle d'une trentaine de de de morts Nous avons ne sax carrément ñan ñoo leen faat policiers yi ñu que koy jiiñ ñi nga est-ce que waruñoo def une enquête enquête sérieuse par rapport à ce nga xamné avons ñoo faat parce qu'il faut aussi le dire amul ben nit bo xamné amna à aussi 30 euh, ans. mais mais euh, c'est un impératif. impérativement mais euh, lan mooy force probante lan moy crédibilité annoncer enquête alors qu'on en avait annoncé il y a plus de deux ans non annoncé woon nañ ñu ay du yu euh, mm-hmm. au mois de mars 2021 n'est-ce pas Faut mm-hmm. euh, euh, faut enquêter toll laaj naa la ko yow di chronique judiciaire ah wow parce que a gisul enquête a <laughs> gisul rapport d'enquête voilà les responsables de ça alors que dafa war am Mon mm-hmm. mot tax ma beaucoup de na ci li nga xamante ne biaisé na dialogue bi Ousmane Sonko na dem ok à a pas de souci mais tey Ousmane Sonko président Macky Sall commencé lëngante di dialogué. Mm. lan la yaayu Cheikh Coly di sentir ci xolam. je te jure. tey ñi nga xamante ne lim nañ leen yëpp ñu euh, rot lan la seen i di sentir. Mm-hmm. les détenus politiques mën nañ leen libérer mais euh, les morts kenn da leen mën a delloowaat ci seen droit. donc kon il faut que mu am une enquête sérieuse boo xamante situer toutes les responsabilités yi nga avez ne vous situez les responsabilités ñu def ay sanctions. bu boobaa mën nañ entamer maintenant processus de stabilisation. de paix parce que lii préalable ce sont des impératifs mais nous, ñi duñ ay mhm. c'est vrai quand même du ay mais les gens tombent comme des mouches comme ça ñu ne il y a pas de responsable. Mhm plus de 30 morts zéro coupable et à chaque fois il faut occultes la war la c'est bien d'en parler en conseil des ministres wala ça instruire c'est un moment solennel je dis certain, président de la république Makissal, est-ce que vous génn wax ak askanam surtout par rapport à ces morts. Ah, euh, au mois de mars 2021 non. il avait dit je vous ai compris mais Bimou, pour après je vous ai compris li a dootul amaat. waaw li wala en tout cas c'est plus mortel. Ouais, on a assisté pire. c'est plus mortel mais lolo nous saa yi foog faut que nous ñu wax ñu mbir mhm. ñan responsable parce que pour man enquête yi euh, ce n'est pas pas pas aller à la lune. Mm. non non Il y a ces vidéos là bu ñu ko identifié mais les arrestations continuent ba pour yow lan moo waral mais attention il faut que da dox les rek caméras drone de surveillance les gens mhm. gars mais non, c'était plus facile. Mhm. Euh, activer les drones en question. Mhm. pour voir le rey. c'est compliqué. c'est vrai a une commission d'enquête pour spécifiquement une euh, lay unité exclusive pour euh, les responsables de ces tueries. effectivement gis naa benn waa ju yore mitraille ci péage

quand même mais imagine danger bi citoyen bi nek di circuler ci deuk bo xamante nit d'ailleurs yor euh, pistolet automatique di wër ni quoi. <laughs> on est en danger hein. quand même. on est en danger alors légui nak nous noonu ki nga xamante ne moom lañ jox suñu réew jox ko suñu sécurité suñu santé suñu éducation mais Coco, il a une responsabilité. Mm. il ne peut pas laisser faire. Mm. déedéet li dafa wara lair, leer ñu situer toutes les responsabilités ne serait-ce que pour la postérité parce que le guide, mais ngi euh, euh, Ousmane Sonko avait dit euh, la deuxième vague serait beaucoup plus dévastatrice. Voilà, mais sur le plan des vies humaines, effectivement, c'est plus dévastatrice quand même. Mm-hmm. Mais un État ne peut pas, tant sans situer des responsabilités. Mm-hmm. Donc, effectivement, il faut impérativement, euh, c'est un endroit solennel, conseil des ministres, mhm. mais euh, après les théories, il faut que dans le top acte, ça va euh, à l'endroit de d'éclaircir les réunions. Sinon, on serait tous en, danger et en insécurité permanente. C'est vrai. Le F24, plateforme regrouper regroupée l'autologue